Salut les amis de eSport TV et de Baba Show. Merci encore Gaël de la confiance en voler, Merci de vous des likes, merci de vous des abonner, Merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations. Box Sénégalais, fait pour le maintenir, 14 régions du Sénégal. Rokhoukhadi, Gorgokhadi, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar fait na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm. ñu nekk ci kaso aussi ngeen xam erreur judiciaire gi ñu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen de njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen daajane fi doo si gaay on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV. L'actualité en continu. Actual TV, New de Wartani, Nicolas Jackson, encore buteur à Kitchel Timidad de Tottenham, mais aussi qui égale le record de Sadio Mané, euh, battre également Benen record. Donc voilà ça, Diego du côté de la Premier League. Actuel New Fasenoko, Wassare Latabobna, King Hanmoy, donc Vinicius Junior, Mingi Gendi, Diego également, le haut du classement, Momi Momingi en 54 apparitions, Dougalne euh, 20 buts avec le Real, Buyutol, donc troll, top 6 euh, meilleurs buteurs, top 5, Gis donc euh, Rodrigo plutôt Nyonek qui souffre souffre souffre pendant ce temps également je Kimmich euh, Zubimendi Zubemendi euh, avec ci li nga donc aujourd'hui joueur yi nga Nyom Lewa FC Barcelone ciblé au niveau du milieu de terrain en sachant que priorités du monde qui dit je suis Kimmich le pendant ce temps du côté de l'Inter Nyom Nak nee donc Barella également qui nga donc Martinez Nyom Yadal beaucoup joueur nañ ci joueurs yoo signé du côté de l'Inter de Milan hein, pour d'aller également prolonger je vois seen nekkin ki nga xam ne nag mooy donc Ralph Rangnick gars yi <laughs> Randing nee na dafa contane ci li nga xam moy performance yi Jadon Sancho di def jamono ji ek nee na ñoom daal bu fin saison bi jotee nañ xol na la jouer ak xolé ak situation joué bi année prochaine mom mi nga xam nak dafa xulo ak ki nga donc Jadon Sancho ba tax jox ko temps de jeu Sancho daal di fa jógee dem euh, dellu Dortmund ñu abalé ko fa ki nak également di Di Maria mom nak nena fi ne bayina li bo xone day delu di côté de Rosario pour eggali fa carrière dem foofu nga xam moy mooy clubam de cœur au niveau de l'Argentine ndax dañ ko jox ay menaces mom ak njabootam nena na dootu fa euh, dellu naan dafay xalaat jouer et n'a également dit Hernandez, le défenseur du Paris Saint-Germain, mon nak dañu am déchirure du ligament croisé antérieur Là, am fi a saison bi mais pour mu jouer waat du yomb daal loolu daal fi ne nii communiquer bu mu IRM les défenseurs euh, parisiens qui nga xam nak moy donc qui di ñi gis finaliste trophée Marc Vivien Foué ah, un algérien un marocain et un gabonais toujours encore le sénégalais nekku ci di actuellement dans le yi nga xaw a euh, côté bobu non qui Florian Wirtz encore une fois boy actuellement mi ngi du côté donc du championnat allemand mais également en Europa League finaliste ce match mi mais il a encore marqué 4 buts 4 passes décisives en 9 matchs donc il a été décisif à 8 reprises en 9 matchs pendant ce temps qui en donc Nicolas Jackson change de coupe ñëw dugalaat ah hein, dafa changer wat ñëw aujourd'hui buteur face à Tottenham bii que 4 quatrième but en deux matchs il à Tottenham au total qui en xam Chalobah à la 72e minute sur un coup de tête au total il a marqué 14 eh, buts avec 5 passes décisives à Chelsea au, total. Hein. Donc au final, il a été donc décisif à 19 reprises. L'attaquant sénégalais, mais aussi illégal, le record de Sadio Mané. Madame Sadio Mané, première saison du côté de la Premier League Mouné nekkoon ci Southampton de football 11 buts ki de Nicolas Jackson fi de Tolon première saison il a marqué 11 buts donc nous y aujourd'hui donc Mouné na dépassé, dépasser euh, Sadio Mané au nombre de buts qui première saison bi foofu mais aussi ki nga donc Nicolas Jackson dans l'histoire de Chelsea moom le seul joueur à part Jimmy Floyd Arcelbank mi nga xam mo moo 5 cinq boo mom dans une double confrontation dugal na quatre buts contre la même équipe muy euh, Tottenham Arcelbank moo moko defone et c'était 5 buts en 2 matchs et ki nga xam nak également qui donc di Mauricio Pochettino aussi moo le seul entraîneur bo xam nek na entraîneur benn équipe ñëw dajewat ak ñom double confrontation dóor c'était avec Tottenham nek l'entraîneur entraîneur ñëw tay ñor Chelsea le problème du côté également de Tottenham Tottenham bi nga Tottenham début de saison bi matchs. tegle 10 matchs yo xamné gaay défaite a nombre de défaites depuis le début de la saison donc fini, problème il faut noter que donc pas Boy football na match mais après dafa comme remplaçant Tottenham daay yi donc ils sont dans des difficultés on espère que dinañ ci daal mais aussi pas Matar Sarr moom dina si mën a génn def ay performances am conformer conforte plutôt sa place de titulaire gars yi li information ñu leen bëggoon hein, c'est toujours un plaisir de vous servir woy leen de like woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie des e-sportifs et de Baba Show nee naa leen jox information ba pare jox leen ni détails jox leen i statistiques ku baax yi yéen la su bëre suñu la